Monsieur le directeur général d'abord, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Euh, Dieu a fait que les 60 ans de la SEGNA, que vous soyez directeur général. Mais nous tous, nous n'allons pas oublier que il y a eu d'anciens directeurs généraux qui se sont succédés. Bon, peut-être qu'il y en a qui sont partis, je ne sais pas, mais que Dieu leur accorde une longue vie pour assister au deuxième anniversaire de la Vous me direz que ce n'est pas possible, mais avec Dieu, tout est possible. Bon, donc si moi je suis un ancien de la j'ai fait 39 ans à la Quand nous, on était à la le premier directeur africain, c'était Paul Malekou. Je lui fais un petit coucou s'il est en train de suivre donc l'émission. Parce que je serais vraiment ingrat de dire du mal à la Segna. Cette boîte qui m'a nourri, grâce à cette boîte, je suis quelqu'un qui est respecté au niveau de mon, de mon quartier. Euh, je m'appelle euh, Madame Salimata. je suis agent de la Segna. C'est quoi vous ressentiez aujourd'hui euh, à votre anniversaire Oui, comme à l'accoutumée, aujourd'hui on a notre, on fête notre 60e année, comme on l'a fait avec les, les cinquantenaires. Donc, euh, euh, toute l'agence se réjouit aujourd'hui autour euh, de notre directeur général. ça nous donne envie de, de mieux travailler, de bien travailler Aujourd'hui, euh, nous suivons les pas de nos ancêtres qui ont forgé la SECNA jusqu'ici. Et nous souhaitons, sur cette continuation, euh, accompagner le DG sur ses entreprises. Euh, je souhaite que le bon Dieu nous, nous, donne longue vie et bonne santé pour qu'on puisse le fêter des années et des années à venir. Et je le souhaite, je souhaite au directeur général une longue vie, une bonne santé pour qu'ils euh, puissent nous euh, accompagner euh, dans tout ce qu'on fait et qu'on puisse l'accompagner aussi, aussi, dans ses entreprises. Je ngi tudd madame Salimata Faye Mangi ngi ici à Secta. Je suis direction générale Mangi suis service de facturation Nous, ñooy def ñun ñooy facturer avion yi nga xam espace Voilà lan mooy sa yëg ci e anniversaire. Euh, kontaan xanaa kontaan waaw kontaan ndax euh, ñaan yàlla rek euh, ko yeneen dix ans yu bari bari bari ba dund 100 ans yi buñ fi nekkatul comme suñu directeur nu ko waxee sët nekk donc sant yàlla bu baax. bàyyi la nga waaw maa ngi sant yàlla di collègues yi ma nekk ndax euh, am na ñoo xam ne nii ñi ngi fi woon am na ñu fi nekkatul ñoom tamit ñi ngi leen di fàttaliku euh, di bàyyi xel ci ñoom tamit di leen ñaanal donc ñu fete ko ci jàmm ba leneen ak leneen yépp xaj ci waaw merci madame